13 avril, chers auditeurs et auditrices, bonjour et bienvenue dans votre émission Le Niger sur Kalangou. Je suis Salamatou Kadri alias Sali, votre ami du midi, et à mes côtés, Mariam Adey. La technique est assurée par Amina Hassan, Adama Dawati et à l'édition. Mariam, bonjour, comment tu vas Ça va bien, Sali, et toi Ça va bien, Dieu merci. Qu'avons-nous au menu ce matin pour nos auditeurs comme d'hab, Sali, nous offrirons à nos auditeurs un programme croustillant composé d'un flash d'informations, du loti avec les desk femmes du studio Kalangu, du sport, de la culture linguistique. Pour la rubrique hebdo des régions, nous ferons un tour à Dosso, la cité des Armakoy. Dans nos nouvelles rubriques spéciales Ramadan, il y aura des conseils religieux, les conseils du nutritionniste, la recette culinaire et la rubrique rose. Nous terminerons avec les messages de nos auditeurs. Et comme invité Sali, nous recevrons Amadou Ali Moussa, un artiste, comédien, humoriste humoriste danseur et chroniqueur à TV. Chers auditeurs, nous commençons cette émission avec euh, notre flash d'information présenté par Ali Tajissir. Tajissir, bonjour. Bonjour Salamatou, bonjour Mariam. Alors Tajissir, quelles sont les nouvelles de ce matin alors aujourd'hui, nous allons d'abord commencer par euh, la coopération allemande et nigérienne. Le euh, ministre de la coopération et du développement de la République fédérale d'Allemagne et en charge de défense ont annoncé des projets pour le Niger d'un montant de 30 millions d'euros. Il s'agit de la construction d'un centre hospitalier universitaire CHU et d'un hôpital militaire au profit du Niger pour améliorer les conditions des soins dans le pays. Le Japon fait don aussi d'engrais et d'équipements d'environ 5,8 milliards de francs CFA au Niger. Des échanges de notes relativement à cette donation ont eu lieu hier entre le ministre d'État nigérien des Affaires étrangères Hasumi Masoudou et l'ambassadeur du Japon au Niger Ikate Katsuya. Cette aide va contribuer à l'amélioration de la productivité agricole du pays et à la lutte contre les changements climatiques au Niger. Par ailleurs, le diplomate japonais précise que cet appui ne se limite pas uniquement à la fourniture des biens, mais revêt également un aspect de soutien à la balance commerciale et à la meilleure situation en devises étrangères du Niger. Aujourd'hui, c'est le 13 avril, la journée mondiale du Scrabble. Le Scrabble est un jeu de lettres connu dans tout le monde et il a été commercialisé dans plus de 120 pays et en 36 langues différentes. Pour rappel, en 2022, le Niger a remporté une médaille d'or à la canne du Scrabble qui s'est tenue au Cameroun. C'est Abdurrahman Moussa qui a remporté la finale élite classique, une des épreuves reines de la compétition face au Burkinabé Atnazé Tapsoba ce qui fait du Niger le nouveau champion d'Afrique des Scrabble classiques. Merci Ali pour toutes ces informations. Chers auditeurs, comme invité ce matin, nous recevons Amadou Ali Moussa, un artiste, comédien, humoriste, danseur et chroniqueur à TV. Bonjour Amadou. Amadou Lompoli hybride sur Kalangu. Bonjour, bon après-midi et bonsoir. Salut à toutes et à tous. Bonsoir Fatima Lili Lili ou c'est. Non, <laughs> c'est <laughs> <laughs> voilà. Euh, bonjour à toutes et à tous. Euh, voilà. Bonjour Amadou. Alors avec vous ce matin, nous allons parler d'humour, puisque c'est votre domaine de présélection, votre gagne-pain et en tout votre mode d'expression artistique. Mais avant ça, nous allons d'abord écouter les conseils du jour sur le mois de Ramadan. On va donc parler de la médisance dans cette période de jeûne. Il ne suffit pas de s'abstenir de boire, de manger pour euh, s'assurer de la réussite de son jeu Il y a beaucoup d'actes à éviter. Le fait de médire, critiquer, l'amener c'est interdit en islam. Un jour, le messager d'Allah a recommandé à la communauté musulmane de gêner et au moment de la rupture de venir demander la permission de rompre. Un homme vint demander pour des jeunes filles et le prophète Mohammed a dit comment pourrait elle gêner il a ordonné à l'homme de les faire cracher. du caillou, du sang qui est apparu dans leur crachat. C'est les conséquences des critiques de la médisance. Le prophète Mohammed a dit Celui qui n'abandonne pas le mensonge et les mauvaises actions, Allah n'a ni besoin qu'il abandonne sa nourriture et sa boisson. C'est-à-dire son jeûne ne sera pas accepté par Allah. C'était le conseil de Oustaza Aladou Yahya, jouant au téléphone par Hawa Ousmane. C'est pour avoir les récompenses de son jeune. Il est recommandé aux jeunes d'avoir de savoir tenir sa langue, c'est-à-dire de ne pas prononcer de bonnes ou bien des mauvaises paroles, de faire des c'est-à-dire de ne pas prononcer de mauvaises choses, d'essayer de faire des, des zikr, des doigts, et pour faire beaucoup, beaucoup de choses pour augmenter sa bonne foi. Après ces conseils religieux, chers auditeurs, c'est l'heure pour nous de nous entretenir avec notre invité du jour. Amadou Ali Moussa, un artiste, comédien, humoriste, danseur et TV. Dites-nous qui est Amadou Ali Moussa Bon, Amadou Ali Moussa, c'est à l'état civil mon nom. Mon nom euh, est à l'état civil, je suis calme, sage, c'est un gars euh, sérieux, souriant et sympa envers tout le monde. Voilà. Maintenant, euh, c'est en même temps, le Ali Moussa Amadou qui a donné naissance à Amadou l'homme polyhybride. hybride. Voilà, effectivement. Pourquoi le choix de l'homme polyhybride Le choix de l'homme polyhybride, c'est simple. Quand Mariam appelait, m'annonçait tout à l'heure, elle a dit quoi Artiste, comédien, danseur, humoriste, chroniqueur télé. Voilà, en fait, l'homme polyhybride, c'est quelqu'un qui est fou fou dans sa tête. <laughs> C'est-à-dire hein. <laughs> l'homme qui est fou dans sa tête, qui, a, qui, qui, qui, se voit faire beaucoup de choses à la fois. Qui a plein plein plein de trucs dans voilà, sa tête. Voilà, inspiration yo tu vois, tout ça vient seulement. Donc à des moments, euh, c'est que je suis danseur, c'est dû au fait que je suis acteur de, de cinéma, euh, danseur, chanteur à la chorale universitaire, chroniqueur télé. Euh, Étudiant aussi, voilà, étudiant. Étudiant en quoi Nous réclamons, nous revendiquons. <laughs> Étudiant en quoi Bon, pour avoir, ma corpulence, je ne peux que faire l'agronomie. <laughs> <laughs> voilà. Donc, euh, c'est dû à toutes ces choses que je fais qui, dont à un moment donné, je me suis dit, bon, vu que j'aimerais vraiment prendre euh, ce côté artistique en mode professionnel, quel nom je vais me trouver qui va aller de pair avec tout ce que je fais. Parce que je ne suis pas prêt de tout abandonner. C'est vrai, à un moment donné, quand tu es dans tes débuts, tu fais beaucoup de choses à la fois. À un moment donné, tu vas te spécialiser dans une chose. Mais il me fallait que je garde les, toutes les deux, les, les, les autres branches là, parce que quand on dit artiste, artiste avec grand A, c'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses, c'est quelqu'un qui peut faire beaucoup de choses à la fois. Donc c'est ça, c'est ce qui m'a amené à faire cette réflexion. Et poly, ça veut dire, c'est de la mathématique, ça veut dire beaucoup. Hybride, hybride, hein? c'est en SVT, quelqu'un qui a deux gènes, deux, deux allèles différents. Ce qui fait, à donné, l'homme poli-hybride. En fait, c'est un seul homme qui a beaucoup d'hommes en lui. Parce qu'il y a beaucoup Par exemple, vous, vous êtes journaliste. Oui. Voilà. Et tu vois, vous allez trouver quelqu'un, lui, il n'est que danseur. Une... Donc, c'est des êtres humains regroupés dans une même personne qui fait ma, folie à la fois, <laughs> que moi-même, j'arrive pas à contrôler. Ok, d'accord. L'idée de vous lancer dans une carrière artistique vous est venue comment euh, Ça m'est venu euh, après une longue réflexion parce que c'est un domaine que j'aime beaucoup. Je l'aime énormément et ça fait que depuis le bas âge, de mon entourage, euh, je, je, côtoie les, activités artistiques et culturelles depuis l'école primaire et à, la longue, j'ai développé un, certain nombre, de, un, certain niveau d'amour et de fanatisme à ce domaine. Alors, je me suis dit aussi que vu que je suis du genre à aimer donner le plaisir aux gens, faire donner la joie, le rire et peut-être même conseiller, je me suis dit bon, vu que déjà arrivé à l'université, au lieu d'aller à... J'avais voulu faire la médecine, ça n'a pas été le cas. Donc, je suis tombé, c'est à la fac d'agro que mon nom est sorti. Donc, je me suis dit, comme mon nom est sorti de l'autre côté, et vu que j'aime hmm, aider, j'aime faire du bien aux gens, ça veut dire que eh, ce côté artistique et culturel que j'aime beaucoup, je vais vraiment eh, le prendre à deux, avec deux bras et me mettre à fond dedans. Parce que déjà à l'école, je le faisais de temps en temps. Mais là, je me suis décidé à professionnaliser et à le faire, euh, à, essayer de, l'amener sur de grandes échelles. Alors, dites-nous, quand avez-vous commencé à faire de l'humour Ma première scène d'humour a commencé en 2014. Je bon, pas, pas commencé, je l'ai faite en, je fait en 2014. Ah, français est trop compliqué. <laughs> <laughs> fête fait. En tout cas, la fête est approche. Et la, la fête, ah, voilà, <laughs> la fête du Ramadan approche. Donc, Ma première scène d'humour, c'était en 2014, au lycée municipal, à la journée, à la semaine scientifique et culturelle sportive euh, des, des, des, des, élèves au lycée municipal. Voilà, de Niamey, bien sûr. Mais est-ce que vous avez eu à faire de grandes scènes au Niger ou à l'intérieur Oui, tout récemment même, j'étais sur le festival, sur le festival de cousinage à plaisanterie. Euh, qui, a eu lieu à, Zender. Après ça, il y a eu, euh, en tout cas en termes de scène, j'ai... Hey, eh, mais il faut nous expliquer. Hein. Ok. Mhm. Si je veux vous prendre un peu de la genèse de, 2020 à mhm. ah, maintenant. En 2020, déjà, j'ai fait, ah, j'ai fait trois tournées, deux tournées nationales, une caravane nationale, deux missions qui, a été, qui ont été clôturés par un spectacle One Man Show, le premier spectacle, mon premier spectacle One Man Show que j'ai fait. Après ça, en 2021, j'ai fait une cinquantaine de scènes et spectacles parce que j'ai presté dans beaucoup d'endroits, le stade, au, concert de la nation de MDM, au, sur le festival Liri le festival Liri qui, qui, qui, va, qui approche dans dans, dans, dans, ce mois de mai, le, mois de mai prochain, même du 15 au 20, il y aura la, la, prochaine édition du, du, festival. Après, je, oh, j'ai failli oublier, je suis comédien de, de, de théâtre. Ah, ok. Un beau non <laughs> voilà. Donc, j'ai fait des, des, des, des grandes créations artistiques en théâtre, dans euh, et toujours dans mes casquettes, parce que sur le festival Émergence Art et Racines de l'ONG, de l'ONG, de l'ONG Forge Art, j'ai eu à être. L'édition passée déjà, on a fait une activité et, une pièce théâtrale du, au nom de Edu Non, c'est Edip Sahel, mais la pièce c'est Edu Proa en version Edip Sahel un projet piloté par trois pays, et dont le Niger, l'Allemagne, la Luxembourg. Voilà. Euh, qu'est-ce que je Et aussi, j'ai fait des, scènes à l'extérieur du pays. Voilà, en dehors du Niger. En dehors du Niger, effectivement. Mhm. On a fait des scènes. J'ai été beaucoup euh, au Burkina. En tout cas, c'est pour le moment, c'est le Burkina que j'ai beaucoup visité. Voilà. Avant de continuer, monsieur Lompouli-Hybride, nous allons prendre une pause en suivant notre deuxième rubrique spéciale Ramadan. Il s'agit du conseil des nutritionnistes sur les femmes allaitantes et enceintes. En faisant les jeunes, les femmes enceintes et allaitantes pourraient s'exposer à des conséquences sur leur santé selon les explications du nutritionniste. Et cela pourrait atteindre également les nourrissons ou les fétiches. C'est ce qu'explique Dr Harakwe Mohamed au micro de Hadiza Hassan. a ga yi zo ga an da mizi tina kulu harino donc hunkun ga mai hau haro kan a asi hande dinno haro dinno ga izo izozo wara gugun daga don da har si gika masal gono nyan wogun bose. zama da har si no buragin fu hal komara mun da kwai izo ga hinga muna samun sola burkan goga nanan dimo izo nware kango wara inga nuga sabu donc wo ca singudu ŋwari hannu wara kangana amma beri kanga cina an bori voilà kanga cina an bori e eh, kaman ko ca nyongo wasina se sande en kulu nyongo agonda se sande également parce que ngam bo borno haro ka go han ngano ko ca go han ŋwaro ka go ŋwa ngano ko ca go ŋwa donc igo ŋwa re fai hinkano donc aga bori digo gingai me hawote imingai ŋwa ŋwa an bori dig be mo masal gono izo se wal ingai gumbose manti dole no voilà masala bero dai ti vraiment izo se donc vraiment aga bori hayo imingai hayo matachi hannoza docteur eno gani kan me hau sa dépend da itakaga webora bumbugo webora yango ne kan ga hambano so sise ya dum mono nanan jengu ga webora yango ne kan deja ifarga nwaro mboka igoga hayo kuce nanan jengu ga zankai goga kulcendi di taga me hau isi du donc C'était le conseil du nutritionniste. Espérons que nos futurs mamans ont pris note du danger de cette pratique. Revenons à notre invité du jour pour la suite de notre échange. Amadou, dites-nous quel est l'objectif que vous êtes à fixer. Bon, oui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous êtes, euh, sachez que vous êtes toujours sur la radio Kalangu. Kalangou qui casse vos oreilles. Non, c'est Kalangu. Kalangu. Oui, j'ai dit quoi Kalangu. J'ai dit Kalangu. Vous avez dit Kalandougou. Kalandougou. Oui, c'est Kalangu. En fait, quand tu viens à Kalangu, dès que tu rentres, tu as l'impression qu'il y a du dougou qui circule dans tous les <laughs> coins. Donc voilà. Donc, mesdames et messieurs, sachez que c'est votre radio bien-aimée, votre, avec votre très cher auditeur et auditrice, très cher, votre aimable serviteur, Amadou Lampoli Hybride, devant, dans vos oreilles. Mesdames et messieurs, euh, c'est vrai, on va continuer notre discussion, mais j'aimerais rectifier une petite chose. Mm. C'est un rappel aussi pour les mamans actuelles et les futures mamans. Parce que c'est pas parce qu'on peut oublier, on peut omettre des choses. Et tant qu'on, c'est comme on le dit, l'être humain, il, fait des erreurs. Il n'est pas parfait, quoi. Il n'est pas parfait, effectivement. Donc, on va revenir sur la casquette de celui de votre animateur, votre ami de tous les temps. Mesdames et messieurs, bon, euh, déjà, oui, déjà, et mm, dans ma folie de, de l'homme polyhybride, sachez que j'ai joué aussi dans une série, dans deux séries, voilà, ça raconte, où j'ai joué en tant que féticheur. Ah bon Zoum Kana, ça, oui, <laughs> Après, j'ai joué aussi en tant que dans une série euh, qui n'est pas encore sortie, Afrique c'est nous, Niamey, où j'ai joué en tant que le savant. En tant qu'un savant. Un savant. Savant professionnel. Pas savant. Pas savant. Savant. Savant. <laughs> voilà. Merci. Euh, j'ai joué aussi dans, dans, des films comme, comme le film de Aboubakar Le Pardon effectivement, bon, là où j'étais maître de cérémonie des mariages. Mais quel est l'objectif que vous vous êtes fixé à vous-même Mon objectif, c'est d'abord faire le maximum pour que je puisse donner le meilleur de moi-même, donner, toucher le maximum de public avec des leçons d'amour, de paix et de cohésion sociale. Dans une, dans, le Niger est réputé pour euh, être le pays où il y a la paix, la cohésion sociale. Et si, je ne sais même pas, vous avez vu, vous avez vu ça deux jours là, il y avait, il y a une situation qui se passe entre euh, euh, sur, les, sur les TikTok entre les Nigériens et les Nigériens. Et soyez, et ne soyez, tu vois, moi, moi je suis étonné de voir des gens du Nigeria défendre les Nigériens. Les gens du Nigeria défendre les Nigériens par rapport aux Nigériens qui insulte les Nigériens parce que il, il, y a eu une petite, une petite incompréhension et des gens du Nigeria sont, sont venus pour insulter les Nigériens jusqu'à Adam Ezongo est sorti dire lui, il est venu à plus de 20 fois au Niger et il a vu que le Niger et les Nigériens, on a des esprits de cohésion sociale, d'unité, de paix et surtout on aime, on a l'amour du, de notre, du prochain. Après, il y a eu aussi un autre marabout dont j'ai vu la prêche qui disait que tous les marabouts qui viennent, si, il disait aux gens que si les gens savent qui sont les Nigériens, aucun Nigérien ne va se permettre d'insulter les Nigériens parce que chaque fois, eux, quand ils viennent au Niger, ils sont vraiment euh, pris avec deux bras, ils sont chuchotés. jusqu'à ce qu'ils quittent, ils ne quittent jamais avec aucun souci. Mm. Ça, on est réputé pour ça. Et rien que pour ça, c'est des traits que, qui c'est pas chose fortuite c'est notre quotidien, c'est notre culture, c'est notre euh, euh, nos, traits, de ce qui est inné en nous. Et c'est ce qu'on peut valoriser. Et c'est ce qu'on peut promouvoir. Et surtout que moi maintenant, j'aime parler de la paix, de la cohésion sociale, juste parce que actuellement, le Niger, il, fait, il est au milieu d'un foyer d'insécurité. Et il faut à des moments des choses qui vont apaiser les esprits, apaiser les cœurs et détendre pour que au moins on arrive à réfléchir à d'autres choses et aussi peut-être donner des conseils et sensibiliser par rapport à comment lutter contre cet extrémisme violent. Déjà moi, je tiens à vous dire que j'ai eu à faire des caravanes et des missions sur le même thème d'extrémisme violent depuis 2020 jusqu'en 2022 j'étais actif dans ce domaine avec des théâtres de forum, des théâtres de sensibilisation, des théâtres participatifs avec des institutions comme euh, il y a eu déjà Comdev. Moi, déjà, majoritairement, je suis en prestation de service avec Comdev dans ce cadre-là et elle qui est avec ses partenaires comme Search for Common Ground euh, et tant d'autres. Voilà. D'accord, Amadou, ces métiers que vous faites, est-ce qu'on peut dire que ça nourrit son homme eh, Ça nourrit son homme de. Il y a money, money là-dedans. Voilà, ça nourrit son homme, laisse seulement. Voilà. <laughs> <laughs> C'est pas parce que tu me vois. Hein c'est pas parce que je suis un, mais tu vois, je dis que ça nourrit son homme parce que grâce à Dieu, aujourd'hui, euh, ça fait au minimum trois ans que je me prends en charge et je paye un loyer. Et j'ai une, une, très belle, très très très belle Bugatti moto que je circule avec, <laughs> tu vois. Et déjà, c'est ma deuxième moto financièrement, tu vois. Et vraiment, je, je remercie Dieu et je sais que si on continue à travailler, si on se donne à fond, la culture va nourrir son homme et elle va permettre à ce que cette culture nigérienne rayonne comme dans les années 90 où on était au top des tops. Même si ça a chuté, on va revenir. Et en euh, dit, comme les Allemands disent, ko c'est les Sorobani wali wali banda koyan sigin koyan ganji to kande ka kawai nona gono hmm. amma mu afogo da kan gane ye jara baya gara go ba tsoro bane jara ivo jara bon on y va il femme de voilà <laughs> voilà nous on a pris du recul pour mieux se préparer afin de bien rebondir et quand on va rebondir <laughs> les gens vont nous sentir aux autres sentir hein. hein makasi makasi quoi <laughs> trop trop fort l'homme polyhybride. Oui, mais la femme polyhybride. <laughs> voilà. Bon, un petit sketch pour nos auditeurs qui nous écoutent actuellement. sketch Mais depuis, je faisais des sketchs. Ah non, il faut improviser pour nous. Non, depuis, je faisais des sketchs, tu vois. Et j'ai dû... Hmm. Attends, tu es allemand, n'est-ce pas Ouais. Voilà. Tu sais, c'est ce qui m'a permis de comprendre ça. Hmm. Les Allemands, ils ont toujours un problème de C et H. Quand tu dis à un Allemand de te dire chez, je vais chier. Je vais chier, chier. Hey, hey, toi, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est qui t'a sauvé. <laughs> Merci Kalangu. Tout à l'heure même, on lui dit de dire euh, chasseur, il dit chasseur. Comment Donc, après des analyses, je me suis rendu compte que les Armands sont les Espagnols du Niger. On dit chaise, ils disent chaise. On dit réseau, ils disent reza. On dit frigo, ils disent friga. Bon, on dit moto. Là, ils ont carrément cherché, ils disent papara. Papara et le pire, on est parti aux Jeux universitaires pendant qu'on faisait la présentation des délégations. pendant qu'on faisait la présentation des délégations, on dit Niame présente. Zender, présent. Dosso, son J'ai dit, mais attends, qu'est-ce qui n'a pas marché, les gars Donc. <laughs> Aïe, aïe, aïe. Merci, merci, merci. Non, attends, moi, on me coupe pas. Là, tu as provoqué. Et là, j'ai pas fini. Oh, ah, ah, non. non. Tu dis, je vais parler. D'accord. Non, sourire, c'est sourire, <laughs> c'est hein, ah. Merci, merci beaucoup, merci beaucoup, monsieur Amado Ali, d'avoir répondu à nos invitations. Une fois de plus, merci d'avoir émerveillé nos auditeurs à travers ces quelques prestations improvisées pour la circonstance. Excellente journée à vous. Merci. Merci beaucoup, merci. que Dieu vous bénisse, bénisse le Niger et son peuple et tous les Kalango. Merci. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission du Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangu est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangu. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, le Niger sur Kalangou c'est pour si cette fois-ci avec notre rubrique hebdomadaire et nous allons parler de l'entrepreneuriat. Le groupe Hausaha j'espère que j'ai bien prononcé, Mariam, c'est moi, de Créé en 2012, le groupement féminin OUSSA s'intéresse à la transformation agroalimentaire. Initialement composé d'une quarantaine de femmes, aujourd'hui, par faute à soutien financier, certaines ont abandonné les navires et actuellement, elles ne sont que 12. Elles font face au problème de matériel pour le cessage de la farine de maïs. Pour plus de détails, suivons Madame Aya Hatou membre du gouvernement et groupement, désolé Désolée, elle est au micro de Hawa Ousmane. Eh, Madame Zulha, kina iya gaya mana tun yaushe ne aka girka shi wannan gurfamanki? To wannan gurfaman husa'a mun girka shi tun shekara ta dubu biyu da goma sha biyu. Dauka girka shi ku nawa ne matan da kwara? To a lokacin nan da muka fara matan nan dai mun kwarari arba'in. Tahiya ta yi tahiya kin san duk abin da za a ce a huddo kuɗi daga aljihu a bada mutane ba su iya ganewa. da muka girka su mun yi wani voice dated aka kai mu wajen doso muka gano experience kala-kala da mata suke ta da gurfaman ɗinsu na zo din na basu bayani na ci to ga shi yadda ya kamata ni mata in muna sa harkokin mu su ci gaba sai mun ruka cotization to wannan cotization ita ta fara kawo matsala ga gurfaman ɗin mata suka rika janyewa suka rika janyewa yanzu dai a takaice mun goma sha shida muke cikin wannan gurfin wanda dai muka jajirce fiye da shekara goma dai muna tare a cikin gurfin kin nan wani irin ayyuka ne kuke yi to a gurfaman ɗinmu na husa'a muna ayyuka kala-kala muna commercialization na kayan gona muna kiwo na ƙananan dabbobi awaki hakan ga muna kuma transformation sarrafa na abincin gona su wannan kayan duka da kuka haɗi abu ne wanda kuɗi ne ake sawa a sayo su a juya su da kuke yi kamar sati-sati ne wata-wata ne ya ne kuke ta yadda kutizasiyon kuma kowace mace ne take badawa to su da muke yi sati bibi ne muke sati bibi da can da gurfaman ɗin bai yi ƙari ba muka rika sa dala ɗari ɗari duk sati bibi yanzu daga baya ma dala talatin talatin ne kowace mace take zuba tunda mun samu tallafi ba kaɗan ba masha Allah mun samu gamar sikwar ta bamu wajen nafsan mil ta bamu yau wajen jika ɗari tara ta bamu eh, nan kuma development social su ma suna bamu bashi in muka juya muka juya kuma in lokacin maido yayi mu maido masha Allah dai muna samun partenar dai wanda dai suke dafa mu wasu su dafa mu da kuɗi wasu su dafa mu da ramce wasu kuma su dafa mu da horo tunda wannan horo sosai shi ya sa dai har muka kaiwar haka kayan da kuke sarrafawa ina kuke kai su kuna kuma mahiwanci a nan dai cikin ƙasa Nijar dai muke saida su a nan ta sa muna saida muna kaiwa maraɗi arlit muna kaiwa niami ma duka dai muna kaiwa yan paper 2 dai o niger dai muna kaiwa ba mu dai da hidda su waje ba to yanzu kaman wurin naku shago ne kuka yi ne kuke zuba kayan ko kuma ya ne kuke kuna tallata su to ba mu samu dai karfin yin shago ba a dai gidan president a nan ne ake yin aikin kuma anan ne ake aji kayan da aka sarrafa muna ta nema dai ga masu da shuni mu samu a dafa mu tunda meri ta ba mu wuri eh, ba mu da dai karhin yin aikin ginin ko kuma yin shaguna haka inda za mu saka amma muna neman wannan tallafi sosai tunda aikin namu yana son wuri gyararre tsaftatacce Après ce magnifique reportage de Hawa Ousmane à Sawa un véritable outil de développement et d'autonomisation de la femme. À présent, Mariam, c'est l'heure de la rubrique rose. La rubrique rose de ce jeudi 13 avril 2023 nous parle de quelques astuces beauté et santé. Les filles aborderont également des astuces pour l'entretien et la décoration d'intérieur. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique, du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traitées et partagées par nos chroniqueuses. Amis suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la rubrique rose. Dans l'espace santé et bien-être, on trouve des alternatives au déodorant. Et en beauté, on stoppe la chute de nos précieux cheveux. Et dans l'espace entretien et décoration d'intérieur, on stoppe la décoloration de nos fringues. Bonsoir les filles, j'espère que vous vous portez bien partout où vous nous suivez. L'utilisation des déodorants peuvent être nocifs pour la santé. Aujourd'hui, je vous reviens avec des alternatives pour remplacer les déodorants. Pour ne plus sentir des aisselles sans déodorant, il y a des produits à privilégier comme le bicarbonate de soude, le citron, le gel d'aloe vera, de l'huile de coco et beaucoup d'autres produits. Le bicarbonate de soude, par exemple, a une action bactériostatique et peut être utilisé comme un anti-odeur. Appliquez-le donc sous les bras, mélangez à de l'eau et un peu de jus de citron quelques minutes avant de prendre votre douche. Mais attention, jamais après l'épilage ou le rasage, car ce mélange peut piquer et vous irriter la peau. Vous pouvez aussi utiliser d'autres produits pour rester sans mauvaise odeur. Il s'agit de l'argile blanche qui a une action désodorisante, le gel d'aloe vera avec ses vertus purifiantes et antibactériennes, l'huile de coco avec ses propriétés antibactériennes. Maintenant, à vous d'adopter l'utilisation de ces produits en fonction du résultat recherché. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci Ruki pour tes astuces. Plutôt simplement, Fanta. Ouais, et à portée de main. Coucou les filles, c'est l'heure de l'espace beauté. Aujourd'hui, je partage avec vous des astuces pour lutter contre la chute des cheveux. Et bien sûr, comme d'habitude, ce sont des astuces simples à base d'ingrédients qui sont à portée de main. Le clou de girofle. Ajoutez un demi-litre d'eau sur 150 g de clou de girofle et laissez infuser pendant au moins 48 heures, jusqu'à ce que l'eau change totalement de couleur. Filtrez et versez ce mélange dans un vaporisateur. Vaporisez cette eau sur votre cuir chevelu et prenez le soin de masser votre cuir chevelu pendant 3 à 5 minutes. Ne rincez qu'au bout de 3 jours d'utilisation. L'oignon, l'ail et l'huile d'olive. Il vous faut deux oignons moyens qu'on découpe entièrement en dés, donc on ne jette rien. Ensuite, prenez une tête d'ail assez consistante, épulchez les gousses d'ail et découpez-les en dés aussi. Dans un récipient, ajoutez un demi-litre d'huile d'olive à l'oignon et l'ail découpé. Faites chauffer pendant 20 minutes au bain-marie, refroidir puis fermez le récipient. Conservez ce mélange pendant une vingtaine de jours au frais et à l'abri de la lumière. Filtrez et utilisez cette huile pour vous faire des bains d'huile. Filtrez et utilisez cette huile pour vous faire des bains d'huile tout en massant votre cuir chevelu. Couvrez vos cheveux à l'aide d'un sac en plastique, de préférence donc, ou utilisez un film alimentaire pendant au moins 6 heures, donc vous pouvez laisser reposer toute la nuit. Lavez-vous les cheveux à l'aide de votre shampoing habituel et pour terminer, ajoutez le jus d'un demi-citron dans un demi-litre d'eau et rincez vos cheveux avec. Vous pouvez faire ceci deux à trois fois par semaine. Et ce sera tout, Rabi. Mais est-ce qu'après rinçage, l'odeur de, l'oignon et de la Justement, le citron, ça sert à ça. Ok. Ben merci Bon courage hein, <laughs> pour, l'oignon et l'ail. On passe à l'espace entretien et décoration naturelle. À présent, on veut parler de comment raviver les couleurs de son linge. Un t-shirt noir qui ternit, une petite robe blanche qui jaunit, et voilà que vos vêtements fétiches perdent leur éclat et virent de couleur à force d'être portés et donc lavés. Pour raviver les couleurs de ces vêtements, il existe quelques astuces qu'on a rassemblées ici pour vous. Étape numéro 1, il faut pour garder les couleurs, on trie bien son linge. Ouais, un bon tri permet de bien entretenir le tissu selon les matières et les fibres, puis en fonction des couleurs de vos textiles. Séparez les couleurs claires et le blanc des couleurs noires et foncées. On choisit une lessive adaptée. Ben oui, aussi surprenant que cela puisse paraître, on ne choisit pas, on ne choisit pas uniquement la lessive qu'on appelle ici homo à cause de son odeur ou de son prix. On commence avec la texture, poudre ou liquide. L'action nettoyante n'est pas la même. Selon la texture de votre linge, on privilégie la lessive en poudre qui permet d'enlever les taches les plus tenaces et permet une très bonne action blanchissante sur le linge. Sinon, pour les textiles de couleur, surtout foncées ou un peu sales, on utilise de préférence la formule liquide qui ne contient pas d'agent blanchissant. Sur ce point, il faut vraiment faire gaffe à ne pas utiliser un produit blanchissant sur votre linge coloré juste parce qu'on n'a pas lu sur le paquet. Afin d'être sûr de bien choisir, vous pouvez également vous fier aux lessives spécialement conçues pour raviver les couleurs. On en trouve aussi sur le marché. Et la dernière astuce, on se fie et on se méfie du soleil. Enfin, si le soleil rend éclatant le linge blanc, il reste le pire ennemi du noir ou coloré. Pour éviter tout risque de décoloration, on prend donc soin d'étendre ses vêtements à l'envers et à l'ombre. Vous connaissez à présent toutes les astuces que nous avons récoltées pour vous qui vont vous permettre de bien chouchouter vos linges. Voilà, chers auditeurs, c'était là la rubrique rose, tout en espérant que vous avez bien pris note. Mariam, présenté présent, direction d'Osso pour le cours des rejoints à la, rencontre, à la rencontre des femmes productrices d'oignons à Chota. Pour leur indépendance financière, les femmes de la commune de Kyoto ne restent pas les bras croisés. Beaucoup d'entre elles pratiquent le maraîchage, notamment pendant cette période. Certaines produisent la pomme de terre alors que d'autres sont plus focalisées sur la culture d'oignons. Notre correspondant Baram Hassoumi est, Hassoumi est allé à leur rencontre. Voici son reportage. kangana imingo Bonwasa chota komino oiborei igoga albasango formote newo chota kominora matakan leila umaru agirgirtir goitero arcidairse igo kande isemo hankankati ga kasine dumi dumi kulu kanganan imukwe ka hankankati danga inge wone nufai tonandi wallahi nango albasa ngo waiborai goga gada da gumo da da himmamu zama nkuna din sambu cota komino wura ganda din na guna din sambu dalle 100% hunkuna dun kwai kalera mun boda ba su yiwu kan gogate 99 me ami albasan no gwai dumo kuno go ise gwamnati go wani gaksi na go ki ka ko go bore kan hina ga ko kon ka fai in hin zanta bore kan mu alfon ka son dumo ce cinge bon sai mun boda no ngai albasan gora ngai mu wana mu gwamnato dinga wani gakisin koi ga kande albasan dan koi se gakisinai igo kandi se dumi zeyan za iri iri kan yanno wadin banda igogi margu igogiye ne ka bon yan te ise imuduka faham da goyo matakan asamawu jibo albasan danko ani cida irse yi banda banda wo ga magu magu no e dumi dai amma mannan ga kaha alhamdulillah fawo da pasek ikandi se angare pom de te rezoar farmize eh wallahi alhamdulillah da ikandi se ga kasine ye ga subai ginno bon fere mata no iga e albasa no sai yin wote da mata ne ga singi yin wote da albasa no ga hamba no fonda ike bi sai mata ne ga didi ta zama ki didi zo te da kan sin daga hamba no sai tali zan kai sidu lahani labo sidu lahani boy gin gai goye te da mata ka himada lix dev inyo da chota o mai kaga magazan te sai wai magazo kan gese ton zanguna ga samu isin ni kadar eta zari za wai ta ci cin dugono gese ika ga su sai yanda ne su mai albasa na gese ta su be kan ni ne zangu hinza nin ne zamba da zangu bu zamba fodo zangu iddu ya dinga alhamdulillah e ga kwai sawo sandai asigan zamadir ko guna dai talkatara inganda hankankati angara janka wasayango ingano goga hankankati danga albasan goyo atafar matakan laila umaru a girgirtir goitero an ci dayar sai wallahi to angara wo irgo irtan kamiga gace ki zama haramun bo gwamnati wo ana angare yanfai angare likidi yanfai amma dai aman bagum daino irwo do ne irman do amma irgo kice ci irmo do ne har irmu do zama an gara fi sibi da la gobe rai ta ban dugumo borai goga ce shi da gabi borayan nuwar mura da giga za i sambu iga ika iga kwa suka kwai ganere habora kan gana imu dugu dungai foi gineya kan gana woi borai albasan o gisiyan o imodu mo albasan o goyo a wani riba hima kamanu gurpumai woi borai wano kanga gisiyan wo bai matakan asamawo jibo ani cida kewa kaga ke sai da gaga tidai nan kulkan idi kunge fatta ga hagwai da albasan wo ima iminga hene to nan da zama ewo ke bisa satorin darkin no albasana gise ikakalki kare wundi gadi dingai moy ngani na mataki sammo ai gisi ka igudu do ne zama mun bai hali gudu albasan gisiyan fu kan di iddowa o kan cota komino i goga dan banda i bobo goga hankan kati dumize bobo dan ingay wane ŋwaro se barham ni kan bani alhamdulillah dai mata me hawo Allah alhamdulillah me hawo irga ga barham irga birin bai fo dai kin zuga kan nan albasalo barbatawo su banar se eh albasan bari bata hankan nan ainu su ban dai kati eh danga ir kyota ganda nan kan iga albasan dangara manki songo a gaigumo kan albasan o igo gadan kyota gandara amma nan gubo bugon isbai aga zama kyota albasan o boy borai mandu dabari bari kan ganan ima fattan da moto kan irga di galmiyan da nangu gucin doki albasan idan igo ga fattan da to wadin fonda rano aina sigira wone sammu aina mu gurje ka salayir kwara albasan bon bai kan coto mu a gonda albasan matakan ya hare gonda albasan kala ir albasan ai ne wo igo kasara zan wo bore sin ka ji ti matakan no igo bara da isi gi hin ka ner mu matakan igo duri bada to wodi no nan ai nan fonda wane sam ka sigira wote de albasalo wa gonda bukata bobo mhm. albasan o a gonda bukata bobo zama albasan o dir koygun ke din hunkuna ngwari kulkan igan wano albasan o kala amu furara nange kulke irgi di ngwari kulki gite albasan wo ngwari kir wan wana ir wo illa har iddo har ngwari kulki go ngwa kasumino hinayen no hay kulkan no albasan wo ago ara yadi ngair wo do de ago na fa to abur dai no abraham irgin fondo goy Merci beaucoup, Barham Hafsumi, et bonne journée à vous. Un coucou à tous nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent à Birni, Dosso, et Loga. À présent, place au sport avec notre chroniqueur du jour, Adam Sariou. Adam, bonjour. Bonjour Salamatou. Bonjour Mariam. Adam, ce lundi, nous parlions des quarts de finale de la Ligue des Champions. Donc ce matin, on revient sur les résultats des rencontres. Oui, Salamatou, nous allons d'abord parler du premier choc européen qui avait opposé les Allemands du Bayern Munich aux Anglais de Manchester City. Ce sont les hommes de Pep Gordola qui se sont imposés sur le score de 3 buts à 0 et prennent une bonne option pour la qualification en demi-finale. Dans l'autre rencontre de la soirée du mardi, l'Inter a battu le Benfica sur son terrain avec un score de 2 buts à 0 euh, grâce au, but de l'Italien Nicolas Barella et du Belge Romelu Lukaku. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans les autres rencontres de la soirée d'hier Hier, Chelsea est tombé sur la pelouse du Real de Madrid sur le score de 2 buts à 0. Karim Benzema avait ouvert le score à la 21e minute sur une frappe de Vinicius repoussée par le gardien de Blues. Le deuxième but du Real intervient après l'exclusion du latéral gauche de Chelsea, Ben Chidwell, à la 60e minute. À 10 contre 11, le Real a fini par doubler la mise à la 74e minute par Asensio. C'était juste quelques minutes après son entrée à la place du jeune Brésilien Rodrigo. L'autre rencontre de la soirée a opposé les deux clubs italiens, à savoir l'AC Milan et Napoli. L'AC Milan a battu Naples par, le, un score de 1 but à 0, but marqué par Ismaël Benasser à la 40e minute. Les matchs retour sont prévus pour la semaine prochaine. C'est tout pour aujourd'hui et au plaisir de vous retrouver pour un autre numéro. Merci Adam pour toutes ces infos sportives. Après cette page sportive, nous allons parler du portrait du jour. Auditeurs, auditrices du Niger sur Kalangou, dans le portrait d'aujourd'hui, nous allons, nous allons à la rencontre de Jamilatou Ibrahim, directrice générale de Métiatech une structure qui crée des applications web. Portrait signé Retia Arimi. Âgée de 42 ans, Madame Adamo Jamila Ibrahim est titulaire d'un Master 2 en ingénierie financière. Après avoir occupé plusieurs postes en France et au Niger, Madame Jamila a rejoint une filiale de Mediasoft Lafayette appelée Mediatek en 2021 au Niger. Elle nous raconte les raisons qui l'ont motivée à intégrer ce groupe Mediatek. Alors, euh, lorsque je m'étais mariée, je suis partie en 2009 rejoindre mon mari et euh, j'ai travaillé d'abord dans la société où mon mari travaillait. C'est une société de gastronomie de luxe, le nôtre, Paris. Et à la suite d'un concours, parce que Free voulait lancer, l'entreprise de Xavier Niel voulait sortir euh, les solutions mobiles, parce qu'à l'époque, en France, en fait, une heure d'appel coûtait très cher. Hein. Vous avez l'abonnement, vous êtes engagé pendant deux ans, vous ne pouvez rien faire, vos factures augmente, lui, il a pensé et il s'est dit pourquoi ne pas mettre une solution qui sera adaptée à toute la couche de, la population française. Et il lançait un concours. Donc il y avait un concours pour pouvoir intégrer la nouvelle entreprise, de, la, nouvelle aventure. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Et je suis restée là-bas durant dix ans. Quand je suis revenue au Niger, j'ai travaillé pour le SIPMEN pendant près de deux ans. Entre-temps, cette entreprise était ici au Niger et euh, je faisais de la consultance pour eux. Et après, euh, le PDG était venu, je lui faisais les points des actions que je faisais, et puis, il me dit, et si vous nous rejoignez Et puis, j'ai dit, sérieux Et puis, il dit, bon, c'est quel poste je prends Puisque à même j'étais responsable de communication, je voulais que je fasse la communication par rapport. Il dit, non, non, vous avez des idées qui peuvent nous aider, nous, à nous implanter ici. Et puis, vous êtes fan de tout ce qui est digitalisation, tout ce que vous faites, tout ce que vous utilisez, c'est le digital, le digital. Vous comprenez l'importance du digital. Et puis, je dis, pourquoi pas Et c'est comme ça que j'ai rejoint médiathèque et jusqu'à aujourd'hui, vraiment non, je regrette pas d'être revenue à mon cœur de métier. Madame Adamou Jamila Ibrahim est actuellement la directrice générale des médiathèques. Monsieur Mohamed Bala Abdelwahab et Monsieur Youssouf, les collaborateurs de Madame Adamou Jamila, apprécient son travail et leur collaboration. Je tiens à souligner que j'apprécie grandement de travailler avec Madame Jamila Tou et j'apprécie aussi son travail car c'est une personne dotée d'une très très grande humanité et d'une générosité très immense. Euh, ses compétences et son professionnalisme qui se reflètent aussi dans la qualité de son travail. Elle fait preuve d'une communication claire et efficace et c'est ses excellentes compétences relationnelles lui permettent vraiment de travailler harmonieusement avec nous malgré notre jeune âge et notre manque d'expérience. Aussi, euh, son engagement envers la réussite et l'amélioration continue est un de ses véritables atouts qui nous profite à tous, qui nous incite toujours à vouloir aller de l'avant. J'avoue que vraiment Madame Jamila me soutient autant que mon soutien envers elle. Je soutiens vraiment ce qu'elle exerce, surtout sa manière de voir les choses, sa rigueur euh, vis-à-vis fidèle. Son courage, vraiment, je la trouve euh, très ouverte. Cette qualité euh, fait d'elle une manager digne de son nom. Quant au métier qu'elle exerce, je pense que Madame Jamila est vraiment dans le camp des perfectionnistes. Oser, persévérer, et croire en soi sont les bonnes voies pour réussir, a déclaré Madame Jamila Ibrahim. Personne ne peut faire quelque chose à votre place. On doit se donner pour occuper un poste. Merci Rechia Arimi pour ce beau reportage. Il faut noter qu'à l'ère de la digitalisation, le secteur du numérique est majoritairement dominé par les hommes. Selon des études, la part des femmes dans le secteur digital est encore à minime. Mais ces dernières années, les femmes et les filles nigériennes s'intéressent de plus en plus au domaine. Je vais peut-être songer à me reconvertir dans la digitalisation, Sali. En tout cas, je t'encourage, <laughs> Mariam. Chers auditeurs, auditrices, c'est le moment pour nous de découvrir la recette culinaire d'aujourd'hui. Direction Birnin Koni pour parler cuisine. Aujourd'hui, Beheda nous explique comment faire un bon danwake digne du nom. Dans une recette initialement à base de poudre de niébé, mais qui aujourd'hui est versée en ajoutant d'autres farines comme la farine de blé. Mais dit dans sans le waké, à quoi cela va ressembler À toi de vérifier en cuisine en attendant, écoutons la recette. Amma dai gaskiya ɗan waken rogo ga wanda ya saba dai ya yi jin daɗin shi bisa na fulawa. To wani kuma bai ma sai da zai kwaɓa miki rogon ba. To wasu suna yin fulawa shi ɗai. Kenan a sa fulawa ɗai, a sa mata miya, a sanya mata gishiri. saboda fulawa in ba ta da wake ba a sa mata kanwa. To akwai masu na fulawa da kanwa da wanga wake. Kenan in ka dakke wake ko kuma kana da nakakken wake in baka da nakakke ka samu dan waken ka sai na goma ka dake she koma gari kenan sai ka gama shi da fulawa saboda yayi tauri ya hakan ga ya dauri cikin shi in bai da wake yana kafa haka kamar kana cin shi dai baka jin yana lake maka in an samu shi fulawa an samu ta wake kenan dole sai an samu shi kanwa saboda wake sai da kanwa an tarho kanwa a samu shi miya kada ya sulki kuma ya yabi nan sai a sa gishiri shi ma kamar yadda za a kwaba wancan da tukunye haka za a kwaba na fulawa amma na rogo sai ya ruwa ruwa bisa na fulawa saboda ita fulawa fulawa ce shi kuma rogo wancan yana tuburewa haka wuri guda in aka yi da ɗan kabur kabur kenan tauri zai yi mutum na ci yana shan tauri amma shi ko fulawa ana abin ga shi ba kamar wancan ba yana ita fulawa ko da tauri kisa ta ma ba ta miki tauri da cibire in dai ba wake yi mata yawa ba Mariam, une fois à la maison, je vais essayer de le préparer moi-même. Un conseil, Sali, il faut suivre la recette pas à pas. À présent, faisons place aux femmes du studio Kalangu pour le loti du jour, qui nous parle de l'importance de la consultation des bébés. La consultation médicale des nourrissons est importante car elle permet de diagnostiquer de quoi ils souffrent et de traiter avant toute complication. Écoutons les discussions du desk femme du studio Kalangu dans ce loti affairage, affairage, affairage, affairage. bon, c'est bon, c'est bon, mon bébé. Tu veux les seins, n'est-ce pas Attends, je vais te laver. Bonjour, ici. Ah, Safi, qu'est-ce qui se passe C'est ton enfant qui pleure comme ça. On peut l'entendre depuis la porte. Hum, cousine, je te jure, je ne sais pas pourquoi il pleure. Au début, je pensais qu'il voulait que je le mette au sein. Mais apparemment, ce n'est pas le cas. Il ne dort pas beaucoup non plus, et c'est là depuis trois jours. Depuis trois jours et tu n'es pas allé voir un pédiatre Il n'a rien, je te rassure. Sinon, mon instinct maternel m'aurait alarmé. Et il n'a pas de fièvre. C'est sûrement un caprice. Ah, tu es médecin pour savoir qu'il n'a rien Et qui te dit que c'est seulement quand l'enfant a de la fièvre qu'il est malade Ce sont ces genres de négligences qui peuvent tuer beaucoup d'enfants parce qu'on ne les amène pas voir un médecin à temps. Et eh, cousine, pourquoi tes longues études la te souvent à la tête Tu es trop négative et tu vois le mal partout. Je t'ai dit, hein, mon enfant n'a rien. On n'a pas besoin de faire des longues études pour savoir que cet enfant souffre. Sinon, pourquoi pleurerait-il Donc, s'il n'ouvre pas sa bouche pour te dire, hein, maman, j'ai mal ici, tu vas continuer à le regarder souffrir comme ça Non, cousine. Tu le sais bien que les nourrissons ne parlent pas. <laughs> ah, donc s'il lui arrive quelque chose, tu en seras la seule responsable. Arrête de me faire peur, s'il te plaît. Mais il pleure et qu'il n'a pas de la fièvre. Tu crois qu'il souffre de quoi Oh mon bébé, qu'as-tu à pleurer comme ça Sans te mentir, je ne sais vraiment pas de quoi souffre ton enfant. Mais ça peut être n'importe quelle maladie qui peut s'aggraver si elle n'est pas diagnostiquée et traitée. Il est temps maintenant de l'amener voir un spécialiste pour en avoir le cœur net. Oh mon bébé, je t'ai fait du mal sans le savoir. Mon Dieu, qu'est-ce que je dois faire <laughs> Écoute, ce n'est pas le moment de pleurer toi aussi. Je t'accompagne au centre de santé. C'est plus judicieux. Prends le bébé. D'accord. Madame, d'après les constats et les résultats des analyses, votre enfant est atteint de la méningite. Mais rassurez-vous, la maladie n'est qu'à ses débuts. On le prend en charge immédiatement. Eh Seigneur, mon enfant. tes larmes, c'est bon. Heureusement qu'on n'est pas venu trop tard. <laughs> Cousine, vraiment merci beaucoup. Si tu n'avais pas été là, je ne sais pas ce qui serait passé dans quelques jours. Tu n'as pas à me remercier, surtout faisons vraiment attention. Dès qu'on remarque quelque chose de suspect chez nos nourrissons qui ne communiquent pas encore pour dire où ils ont mal, il faut se précipiter chez les spécialistes pour éviter toute catastrophe. Je ferai vraiment plus attention. Je ferai passer ton conseil aux voisines aussi. Attends-moi là près du bébé. Je vais dehors appeler son père pour l'informer de la situation. les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission du Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangu est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangu. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. C'était le lot des Dex Femmes de studio Kalangu. Merci les filles. Suivons maintenant Abdul Moumouni Abdou pour la culture linguistique. Le mot du jour est enquêteur. Bonjour Niali. Bonjour. Euh, le mot du jour, comme on le disait, c'est l'enquêteur. Le mot enquêteur, selon le dictionnaire du français, a deux sens. Au sens premier du mot, il désigne une personne qui fait des enquêtes. L'enquêteur, dans ses fonctions, utilise le raisonnement et l'analyse déductif pour prendre des décisions. Exemple, dans le cas d'une affaire policière, les enquêteurs mènent l'enquête pour élucider la situation. Au sens second du mot, le mot enquêteur désigne une personne chargée d'effectuer des sondages, de mesurer, d'explorer au moyen d'une sonde ou d'un questionnaire pour connaître à un moment donné la manière dont se repartissent les opinions autour d'une question donnée. Par exemple, l'Institut national de la statistique recrute des enquêteurs dans plusieurs de leurs activités, comme l'enquête sur la démocratie comme l'enquête sur la démographie, excusez-moi, ils font l'enquête aussi de porte en porte pour recenser les populations. Alors en Fulfulde, comme on a toujours coutume de le faire, en Fulfulde on dira koro neɗɗo noon tokkitittoɗo no yeofi, fii ngam hiitude moye waɗi gacce nder fii kiite de no de gacce goɗon wadama neɗɗo o duni fa hande no gollida hakkillo mum e hikmako muɗum ngam woɓɓe du fa hannden no mbi'a luga toɗo na mbi'en tawi ko toɗo ga andude ko himɓe mbi'a dow fiigom ko suuli be ɓe na ko woni no wadda ya yeeso nder cakantaraje voilà Merci beaucoup Nelly pour ces éclaircissements. Chers auditeurs, auditrices, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiterez avoir l'explication en anglais, Hausa, Jarma, en Tamashek ou en Fulfulde, n'hésitez pas à laisser un mot au 82 89 89 64. Je répète 82 89 89 64. Il est temps pour nous d'écouter nos auditeurs. Ni ne Musa Isa na Talatu Baban Kolo a nan Difa. Ina ɗaya daga cikin masu sauraren Studio Kalangu. Studio Kalangu abin da za ka iya cewa wanda za ka iya kwatanta Studio Kalangu da shi gaskiya ba abu ne ƙarami ba, kuma ba abu ne wanda za ka iya cewa zai ƙare a yanzu ba. Abu ne kawai sai dai ka taƙaita abin da ka iya sani. Don Studio Kalangu kai sai dai a ce Allah ƙara musu hazaƙa da ƙarfin gwiwa Sidiyo kalangu abin da ya burge ni a cikinsu musamman ma idan ka ji sun ce wannan wakilin su ne daga wani guri wanda labarin da zaka ji yana badawa labari ne wanda ya faru ba labari ne ba wanda shaci faɗi gaskiya nan ma ni sun na jinjina musu na biyun shi studio kalangu labaru su da kansu 'yan jaridunsu ba 'yan jaridu ne kame-kame ba 'yan jaridu ne wanda suka san aikinsu kuma suka iya zama da kowa a cikin rayuwar duniya kuma haka ake son aikin ɗan jarida dama ni dai abin da zan iya gai bisa studio kalangu sai dai in ce daga su da mu masu saurare da kuma manyansu gaskiya ubangiji allah ya ƙara ɗaukaka gidan radio na studio kalangu sunana sa'a adamu game da shiri na kalanku gaskiya muna saurare shirin na musamman na bisa kan mata yana birge mu da na 'yan mata matasa muna sauraren shi kuma wallahi muna ba da goyon baya ɗari bisa kan ɗari bisa kan abin da yake umfana mu da mu da ɗiyan mu mata sai dai mu ce kuma a ƙara ƙoƙari a bisa kan shi a ƙara bincika a ga abin da yake ci musu tuwo a ƙwarya a ƙara buɗe mahawara a bisa kan shi. mi mi hokka ra'ayi am do studio Kalangu shiriji maɓɓe na woɗi sanne emen e nana belɗum majji hakko shiri ɗum ɗum ɓe ƴata tus ala fada min giɗi ɓe omta chaniji nder gendi Niger fu nder sous région ɓe ɓeyda gendi ɓe ɓeyda chaniji maɓɓe sosai den kuma ɓe omta kulɓe giɗi fayi tele ma ɓe omta min nana belɗum siriji maɓɓe inchallah min woni aboubacar abdou joɗiɗo agades lumo lettogawo inchallah kasuwa gabas Chers auditeurs, pour le journal de ce soir, que nous vous invitons à suivre Nafissa Adamou. Elle est là. Bonjour Nafissa. Bonjour Mariam et bonjour Salamotou. Bonjour. Quels sont les titres de ce soir alors ce soir, euh, vous entendrez le comité de veille citoyenne d'Agadez qui appelle les différentes communautés au respect de la cohésion sociale pour vivre pacifiquement. Ensuite, euh, le collectif des associations pastorales du Niger demande à l'État de mettre en place des dispositifs d'aliments bétail en région suite au déficit fourragé relevé par l'évaluation de la campagne pastorale au Niger cette année. Enfin, le magazine nous éclaire sur le comment un pays contracte une dette pour couvrir certains besoins. On se prend donc à 17h pour écouter donc le journal. Merci. Merci, Nafissa. Nous sommes à la fin de notre émission Le Niger sur Kalangou. Vous étiez en compagnie de Salamatou Kadri et de Mariam Adey. Tout le bonheur était pour nous de partager ce moment avec vous, chers auditeurs. Le rendez-vous est pris pour demain avec une autre présentation avec un autre duo. La technique est assurée par Amina Hassan et la grande dame Adam Odonwati, notre chef d'édition. Excellente journée à vous. Bye bye.